le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du Forum du Studio Kalangu dans une présentation de Top Draman. Le forum du studio Kalangu est un espace d'échange, de débat, d'éducation et de sensibilisation à travers lequel des personnes ressources apportent des réponses aux préoccupations des citoyens sur des questions d'actualité ou de société que vous vous posez régulièrement. Les programmes du studio Kalangu sont diffusés sur toute l'étendue du territoire du Niger à travers un réseau dynamique de 34 radios partenaires. À Niamey, vous nous suivez sur Alternative FM 99.4 MHz, Amphani FM 100 MHz, Quartier FM 90.9 MHz et Challenge FM 96.6 MHz. Notre page Facebook Studio Kalangu, notre site internet www.studiokalangu.org. Poursuivons la série sur la participation politique des femmes au Niger. Le forum du Studio Kalangu s'intéresse aux femmes dans les exécutifs et dans les organisations des femmes des partis politiques. Le choix de ce thème n'est pas fortuit en ce sens que c'est une étape importante voire nécessaire dans la vie politique de la femme. Autrement dit, ce passage des femmes dans les organisations des partis vers les instances de décision permet de mieux cerner les difficultés auxquelles les femmes font face dans les partis politiques en vue de les sensibiliser dans l'optique de renforcer leurs capacités pour qu'elles soient aptes à intégrer les instances décisionnelles des partis. L'accès des femmes aux instances de prise de décision des partis et même aux affaires publiques est une nécessité impérieuse dans la mesure où elles veillent à ce que les préoccupations de leurs pairs soient prises en compte lors des prises de décision de manière continue la cause des femmes à tous les niveaux. Pour que cela soit possible, il faut que les organisations en charge des questions des femmes procèdent au renforcement des capacités des autres femmes. Et les femmes leaders se doivent de partager leur expérience avec les femmes à la base pour qu'elles puissent se battre afin de transcender le rôle simple de mobilisateur d'électeurs et ou organisatrice des activités culturelles des partis politiques. C'est en agissant de la sorte que les femmes à la base prennent conscience de leur situation, changent de comportement, deviennent des femmes qui ont confiance en elles-mêmes se sentent capables de se porter candidate et même d'être en mesure de se faire élire aux instances de décision, tant au niveau local, régional et même national. Mais est-ce que ces organisations de femmes dans les partis politiques constituent un poids au point d'élire les candidates dans les instances de prise de décision Quels sont les obstacles qui freinent leur émergence dans les instances de décision Une fois ces femmes aux instances décisionnelles des partis, quelles sont les actions concrètes qu'elles mènent pour défendre les droits des femmes voilà autant de questions qui suscitent autant de réponses à travers ce forum. Et pour débattre de ce sujet, nous accueillons aujourd'hui dans ce studio Madame Maizama Hadiza, présidente de l'organisation des femmes du RDR Chandji, Madame Taya Kanta, ancienne secrétaire à l'organisation des femmes du MNSD Nassara, et Madame Korgom, conseillère au bureau politique de l'ANDP Zamalaya, que nous accueillons d'un moment à l'autre dans ce studio. Bonjour mesdames et merci d'avoir accepté l'invitation du studio Kalangu. Madame Rabia Toukorgom, conseillère à l'ANDP Zamallah, vient de nous rejoindre. Bonjour, madame. Bonjour. Et, eh, madame Mezama Hadiza, vous êtes la présidente de l'organisation des femmes du RDR Tchendi. Comment êtes-vous arrivée là Merci. C'est vrai, je suis la présidente euh, des femmes euh, du RDR Tchengi, bureau provisoire, puisque nous n'avons pas encore fait un congrès des femmes parce que le RDR Tchengi est un nouveau parti. Parce que, euh, comme vous le savez, le RDR Tchengi est né suite à la crise qu'il y a eu entre les militants du CDS et ce qui a fait que bon, le parti a été scindé en deux. Et nous, nous sommes restés au niveau du RDR Tchengi où nous assurons la coordination des femmes jusqu'au congrès. Et je suis arrivée à la tête du RDR Tchengi parce que j'étais à la tête de l'association des femmes Rahama avant d'être RDR Tchengi. Et ça, ça a été fait suite à une longue lutte. Une longue lutte parce que eh, j'ai commencé d'abord à militer à la base. Depuis 1991, je suis dans le parti du CDS Rahama et nous avons milité. Suite à notre militantisme, nous avons pu graver les échelons jusqu'à avoir le poste de présidente nationale du CDS Rahama. Et aujourd'hui, ce poste a été transformé en RDR Tchengi, en présidente de RDR Tchengi, comme je l'ai dit suite à la scission, parce que nous avons créé notre parti, mhm. le RDR Tchengi. Et c'est comme ça que je suis devenue la présidente du RDR Tchengi jusqu'au congrès. D'accord. Et quel est votre intérêt pour les femmes Mon intérêt pour les femmes, et je ne peux pas tout dire, parce que il est grand. Il est grand parce que si eh, j'ai accepté d'être euh, la présidente, c'est parce que les femmes m'ont choisi. Si je suis choisie par les femmes, c'est parce qu'elles savent que je suis en mesure de défendre leurs droits. Donc je suis là, c'est pour essayer, tant bien que mal, de défendre les droits des femmes au niveau du parti. Parce que, comme vous le savez, la femme dans un parti politique est considérée comme euh, une euh, personne chargée de, faire la chasse des militants, des militantes pour faire euh, évoluer le parti. Donc, mon intérêt, c'est que nous ne voulons pas que la femme reste toujours à cette position de militante qui cherche d'autres militantes. Mais mon intérêt, c'est amener les femmes à être responsabilisé, à être élu et à être nommé à des postes de responsabilité. Voilà mon intérêt. Et c'est cela euh, ma lutte. C'est cela ma lutte au niveau du parti. Et c'est pour ça que j'ai même accepté d'être présidente, vice-présidente nationale du parti RDR Tchengi au niveau de la région de Dosso. Donc c'est pour vous dire que c'est pas. Euh, ma lutte ne s'arrête pas seulement euh, aux femmes, mais à toutes les personnes considérées comme euh, des personnes, euh, comment je peux l'appeler, des personnes qui n'ont pas la capacité de, de, gérer ou d'assurer des responsabilités, surtout les jeunes, la femme, les jeunes. Voilà l'intérêt que j'ai pour ma lutte dans, dans ce dans ce parti. Et à votre avis, quels sont les obstacles qui empêchent aux femmes d'être élues euh, dans les instances décisionnelles des partis Les obstacles sont multiples multiple d'abord, à commencer par nous-mêmes les femmes. Nous-mêmes les femmes, parce que notre engagement en tant que femmes militantes est mitigé. Mhm. Mitigé en ce sens que on ne veut pas assister aux réunions, on ne veut pas prendre part à certaines activités. Mhm. Donc, on attend toujours que les élections arrivent pour que nous soyons mobilisés pour aller encore nous aussi mobiliser d'autres femmes. Ça, c'est notre responsabilité. C'est ce que nous, nous sommes en train de faire. Nous avons fait de ça comme un choix. La deuxième euh, chose, le deuxième obstacle, c'est que au niveau des réunions, les femmes, quand il y a une réunion, on n'est pas aussi engagé ou au point où nous allons attendre les dernières conclusions des réunions. Parce que le problème qui se pose, les hommes, les décisions, les décisions ne tombent qu'à la fin des réunions. Or, la femme se dit, ah, j'ai mon enfant, j'ai laissé mon mari, j'ai fait ci, j'ai ça à faire, j'ai ci à faire. Hmm. Et les décisions sont prises pendant que la femme n'est pas là. Et les hommes ne sont pas là pour défendre nos droits. Quand il s'agit d'aller lutter, on dit non, non, il y a telle femme, elle est capable, il y a telle femme, elle peut faire ça. Mais quand il s'agit de donner des responsabilités, mhm. ils vont se voir entre eux le mur de ceux qui sont là présents, assis en face de la table. C'est entre eux que se fait le partage le plus souvent. La femme est omise parce qu'elle n'est pas sur place. Donc ça aussi, comme je l'ai dit, c'est notre faute, nous, parce que nous ne voulons pas rester jusqu'à la fin des décisions. Mhm. Et même les hommes ont compris. C'est pour ça que souvent, eh, ils ne prennent les décisions que quand ils regardent à gauche, à droite, devant, derrière, il n'y a pas de femme. En ce moment, la décision tombe. Mhm. Et la femme est mise à l'écart. Mhm. Et moi, je dis non. Ou je commence la réunion et je vais jusqu'au bout, ou je ne commence pas la réunion on tient toujours les réunions avec moi jusqu'à la fin. Or, nous, nous les femmes, notre gros défaut, en fait, c'est le fait qu'on ne perde pas, on, pense c'est une perte de temps. Vaut mieux aller s'occuper de nos enfants que de rester à une réunion alors que, bon, peut-être il n'y a rien. Or, il n'y a rien. Le rien là ne viendra qu'à la fin de la réunion. C'est ça. Et ça, ça constitue un blocage pour les femmes. Euh, le troisième obstacle, c'est l'homme. Les hommes ne veulent pas que leurs femmes assistent aux Il y a des hommes qui disent à la femme, le jour du vote, tu vas voter pour moi, mais niette, tu ne peux pas assister aux réunions. Il y a des hommes qui sont extrêmement jaloux, au point où leurs femmes n'ont pas le droit d'assister aux réunions. Il n'y a que eux. Moi, personnellement, j'ai l'habitude de dire aux réunions, parce que je préside des réunions, je dis non, la prochaine fois, il faut que vos femmes sortent. Mhm. Parce que l'obstacle, c'est vous. Si vous ne permettez pas à vos femmes d'assister aux réunions, elles ne vont pas venir. J'ai même l'habitude de taxer, de, d'amender des hommes. Pourquoi moi, quand je vais au réunion, je vais avec mon mari, avec mes enfants Mais eux, quand ils, ils viennent seuls, et c'est eux qui décident. Et c'est eux qui sont au devant de la scène. Pendant que leurs femmes sont à la maison. Est-ce que cette femme à la maison peut bénéficier des avantages, de ses propres droits si elle reste à la maison Vous voyez que les hommes, ils, mettent leur robe d'homme, de, de mari, pour bloquer la femme, pour empêcher à la femme d'exercer ses droits ce n'est pas bien. Et tout ça, c'est nous sommes là, nous, en tant que leaders, pour essayer, tant bien que mal, de convaincre les hommes, de les sensibiliser pour qu'ils acceptent que leurs femmes sortent, pas seulement le jour des élections. Mm-hmm. Et de respecter le droit de la femme quand elle a un droit à respecter de travailler, de décider avec la femme, de la considérer, de considérer la décision de la femme. Parce que quand elle parle aux autres, elle est écoutée. pourquoi quand elle parle au niveau des instances politiques, elle n'est jamais écoutée. Mais quand il s'agit de courir chercher les militants, c'est elle. C'est ça, les gros blocages qu'on a. Comme je l'ai dit, c'est nous-mêmes, mhm. c'est les hommes. Parce que nous-mêmes, nous avons laissé justement la place aux hommes pour nous jouer de cette manière-là. Mhm. Voilà ce que je peux dire par rapport au blocage. Parce que nos enfants ne sont pas un blocage pour nous, mais c'est nous qui constituons notre propre source de blocage sous prétexte qu'on a des enfants, sous prétexte un nouveau-né, mhm. prétexte qu'il sous prétexte d'une grossesse, je ne peux pas bouger. Même les études, pourquoi les femmes ne sont pas nommées Nous avons toujours sensibilisé les femmes pour qu'elles aillent étudier. On est toujours relégué au second rang. Quand il y a un poste de nomination, qu'est-ce qu'on fait On dit Ah, Et est cadre à deux. Il faut la placer à tel poste. Mais la faute à qui À nous. C'est pour ça que nous voulons que les femmes étudient. Nous voulons que les femmes sortent, cherchent le savoir. Parce que ce n'est pas seulement le niveau qui compte. Vous allez avoir des gens qui n'ont pas un grand niveau, des femmes responsables qui peuvent, qui sont en mesure de gérer des hommes, parce que nous avons eu à le faire. Et c'est comme ça qu'on peut un peu réduire les problèmes. Parce que si on ne s'engage pas pour réduire nos problèmes, ce pas les hommes qui vont régler nos problèmes. Mhm. D'accord, merci beaucoup. Et les femmes jouent un rôle fondamental au sein des états-majors des partis politiques car ce sont elles qui font le porte-à-porte -porte pour mobiliser les électeurs lors des campagnes électorales. Euh, elles s'activent jour et nuit dans les zones les plus profondes du Niger, parfois là où les hommes ne peuvent pas accéder pour porter le message de leur parti afin d'élire leur euh, leader politique aux instances suprêmes du pays. Pourquoi sont-elles euh, oubliées lors du partage de ce gâteau, Madame Rakia Kanta Toujours les mêmes problèmes, que ce soit le parti X ou Y c'est toujours les mêmes problèmes c'est toujours le même raisonnement des femmes. Mhm. Et quelles étaient les raisons euh, qui vous ont poussé à être secrétaire à l'organisation des femmes J'ai fait deux mandats et après, je suis parti. Mhm. Ou plutôt, on m'a poussé vers la porte. Bah, en fait, moi, peut-être que je n'étais pas faite pour la politique. Parce qu'il y a des choses que je n'admettais pas, même dans ma vie courante comme ça. Donc, je ne peux pas l'accepter au niveau des faits et gestes mhm. des, politiciens. Mhm. Et c'est ça qui fait que j'ai été crainte. Dès au début, les, les gens me craignaient, quoi. Mhm. Et, et, les gens me montraient carrément que c'est pas comme ça. Moi, je ne suis pas une diplomate. Moi, je dis les choses comme je les pense et je les dis à n'importe qui devant n'importe qui. Euh, vous voyez, comme l'a dit Madame euh, Mesama, la femme, elle est toujours en train de chercher une tutelle. Même au sein des partis politiques, elle cherche une tutelle. Moi, je ne cherche pas de, tutelle parce que je ne fais pas la politique pour quelqu'un. Je fais la politique pour moi-même. Et mhm. dans les partis politiques, les gens cherchent des tutelles. Mhm. Et c'est cette tutelle-là, il faut qu'elle soit une personne influente, il faut qu'elle soit une personne riche, il faut qu'elle soit une personne qui donne, très généreuse. Moi, je n'ai pas besoin de tout ça. Moi, je pense que ma compétence suffirait à me faire accepter par euh, les militants de mon parti. Mhm. Mais ça n'a pas suffi parce que tout le monde, comme, comme il me craignait, il ne voulait pas que j'occupe telle ou telle place. Mhm. Alors, euh, c'est ça qui m'a freiné, c'est ça qui a fait que j'ai accepté volontairement qu'ils me mettent euh, vraiment vers la porte pour que je, je sorte. Parce que au départ, moi, j'ai beaucoup adhéré, j'ai beaucoup fait les, les choses sociales, mhm. les activités sociales, donc euh, dans les associations. Et je ne pouvais pas concilier ce que je faisais donc dans les associations avec ce que je fais dans les partis politiques. Et pendant ces deux mandats-là, quelle action concrète avez-vous menée euh, pour aider les femmes à la base à être aux instances décisionnelles de votre parti Bon, il y a, les, différentes formations que nous avons faites au sein des, partis. Mm-hmm. Il y a le programme même, nous avons élaboré un programme et on a essayé de suivre ce programme-là. Et dans le programme, il était prévu de faire des formations, des activités génératrices de revenus pour les femmes, mhm. pour qu'elles puissent être un peu plus indépendantes, mhm. pouvoir assister valablement aux activités du parti. On a mhm. essayé de le faire, on l'a fait. Donc, euh, pour moi, ça suffisait Mais c'est une question de volonté. Quand quelqu'un n'a pas la volonté de faire quelque chose, il ne le fera jamais. Et c'est ça qui, m'a déçu. Et bon, les femmes entre nous ne sont pas gentilles. Hein. Mhm. Parce que dès que tu, tu commences à, à, faire quelque chose de bien, on se met à te critiquer. On pense que c'est parce que tu veux prendre, tu veux prendre la place d'un tel, tu veux prendre la place d'une telle et tout de suite on te coupe l'herbe sous les pieds. Et sachant que les femmes sont incontournables dans la bonne marche du parti, en ce sens qu'elles soient électrices ou qu'elles détiennent le monopole de la mobilisation des électeurs, et qu'est-ce qui explique le fait que la majorité d'entre elles reste toujours confinée dans le rôle de mobilisatrice ou d'électrice Ça aussi c'est un comportement. Parce qu'une femme qui se comporte toujours en assistée, elle ne peut jamais évoluer vers une femme qui est capable de s'affirmer et d'aller vers euh, là où on prend des décisions. Mhm. Donc euh, tu t'attends toujours à être assisté et tu vas attendre toujours qu'on t'assiste. Normalement, un droit, il s'arrache, il ne se donne pas gratuitement. Et les femmes n'ont pas compris ça. Et les femmes, non, non seulement elles n'ont pas compris ça, mais elles pensent qu'elles font la politique pour les leaders. Et les leaders, ce n'est pas les leaders eux-mêmes, c'est les femmes des leaders. Et c'est ça que moi, je ne peux pas accepter. Merci Madame Taya Haja Kanta. Euh, nous allons continuer avec Mme euh, Madame Ravia Korgam. Pouvez-vous nous dire euh, pourquoi avez-vous choisi d'être conseillère au bureau politique de votre parti, l'ANDP Zamalaya n'ai pas choisi d'être conseillère à l'ANDP Zamalaya. n'ai pas commencé conseillère. J'ai commencé très jeune. Quand j'ai commencé, je, ne savais même pas c'est quoi la politique. J'aimais le parti. Je mets, c'était même pas le parti avant. Quand j'ai commencé, c'était le, oui, le Kamad. C'était le club d'amis Adam Momouni mhm. Je suivais mes, mes aînés, mes grandes sœurs. Après, moi-même, ça a commencé à, me plaire. Et surtout, l'acte que le défunt de Adam Momouni Mokoi, que la terre lui soit légère, a commis. Moi, c'est ça qui a fait que vraiment, moi, j'aurais, j'ai, voulu le suivre. Et quel était ce tact là Il devait être le président de, de, MNSD Nassara. Mhm. Arrivé à Maradi, quand ils ont tout fait ici à Niamey, arrivé à Maradi, ils l'ont enlevé et il est sorti. Il a claqué la porte, et il est parti. Donc quand il est parti, il, a, il s'est mis de côté pour laisser le parti. On est parti comme ça. Maintenant, après, quand on a fait le parti, euh, moi c'était au congrès de, de Maradi ils ont fait le premier congrès de la NDP Zamalahia, je n'avais pas encore 25 ans. Mhm. Donc j'étais encore jeune. Et j'étais la présidente des, jeunes, toutes les, jeunes dames, les jeunes filles de, de, Maradi. Je mhm. les ai rassemblées à mon compte mhm. pour les, leur payer L'uniforme même, c'est pas, on nous a pas amené l'uniforme. Nous, on a, moi, j'ai acheté moi-même pour les filles là. Je leur ai donné des, t shirt des, deux pains, deux pains. Elles, sont, elles ont fait leur uniforme mm-hmm. et on est venu au congrès. Mm-hmm. C'est quand j'ai rassemblé les jeunes là, je leur ai dit de venir, on va aller nous-mêmes. Mm-hmm. On a été. Donc c'était comme ça que je suis, je suis lancée dans le parti. Et puis après, quand on a fait le congrès, on m'a nommée conseillère. C'est depuis 92-93. Et depuis lors là, Jusqu'ici, je suis toujours dans le membre, du, bureau politique mm-hmm. national. À part euh, le bureau politique national, je suis encore euh, dans l'UFAS. Euh, L'UFAS, c'est l'Union des femmes de la NDP Zamalahia. Mm-hmm. Il y a Raja aussi, Rassemblement des jeunes de la NDP Zamalahia. Mm-hmm. Donc là, je suis la secrétaire à la jeunesse, sport et, culture. Il arrive des fois qu'il y ait des différends entre les états-majors euh, des partis et les organisations de femmes. Et à votre avis, pour quelles raisons Comment faire euh, pour rehausser le taux des femmes dans les instances de prise de décision des partis C'est d'abord la sensibilisation des femmes. Mhm. Il faut que les femmes soient sensibilisées. Il faut que les femmes acceptent d'assister, de participer. Et vous avez posé tout à l'heure une question de conflit. C'est justement ça qui fait le conflit. Le fait que nous n'assistons pas aux réunions, quand ils vont prendre leurs décisions, nous venons à la dernière minute pour dire non, tel poste devait nous revenir. Quand on prend par exemple les élections, on est toujours gardé comme suppléante, on est toujours relégué au second rang parce que tout simplement, nous n'assistons pas aux réunions, aux débats, parce qu'il y a des débats houleux qui se passent au niveau des partis. Si la femme n'assiste pas à ces débats, elle ne peut rien comprendre. Mais si nous participons à ces débats, ils vont se rendre compte qu'ils ne sont pas plus intelligents que nous. L'intelligence, là, tout le monde l'est, tout le monde est intelligent. Mais si on va à la messe, quelle que soit notre intelligence, on ne peut pas. On ne peut pas accéder aux décisions. On ne peut pas accéder aux postes de nomination mhm. parce qu'ils ne vont pas nous considérer. Et le fait qu'on assiste à ces réunions, Faites de nous des leaders. Des leaders. C'est en ce moment qu'on va identifier qui nous sommes. Parce que, comme elle l'a dit, les, deux camarades, quand tu dis la vérité, tu es la bête noire. Tu es la bête noire à abattre. Et eh bien, je vais vous dire une chose, ma fille. Toutes les femmes que vous avez vues leaders, c'est parce que c'est des femmes qui disent la vérité. C'est des femmes qui savent ce qu'elles veulent. C'est des femmes, quand elles veulent, elles vont jusqu'au bout. Mhm. Mais on ne peut pas être dans les instances de décision tant qu'on ne participe pas au débat, tant qu'on ne comprend pas, parce qu'il faut comprendre le contenu, les tenants de, la chose, les tenants aboutissants de la chose pour prétendre être responsabilisé par rapport à ça. Mhm. Si c'est dans le bureau politique, dans les, dans les bureaux des, instances politiques, les partis politiques. On dit la femme est toujours adjointe. Et on nous laisse toujours le poste de euh, condition féminine. Condition féminine. Quand on dit condition féminine, il n'y a jamais un homme. Regardez tous les partis politiques. Je ne sais pas s'il y a un seul parti euh, où il y a un homme qui occupe le poste de condition féminine. Ça m'étonnerait. C'est toujours la femme. C'est toujours la femme. Pourquoi Parce qu'elle n'est pas là. Même si elle n'est pas là, la place, elle est laissée. On fait le congrès, c'est vrai. Mais tant qu'il n'y pas de femmes, on dit, bon, la femme, la place là, c'est pour les femmes. Mm-hmm. Vous, les femmes, organisez-vous pour nous donner une femme qui va occuper ce poste. Mm-hmm. Non, moi, je n'ai jamais accepté de prendre le poste de condition féminine. Mm-hmm. Je dis non, je me bats. Même dans le parti CDS Rahama, moi j'ai l'habitude de me battre pour occuper le poste de vice-présidence. J'ai dit il faut qu'on ait aux élections. Et qu'est-ce que vous avez à dire à ces femmes-là qui acceptent facilement ce poste C'est l'engagement. Mhm. Il faut qu'elles s'engagent. Quand tu n'es pas de la lutte, tu ne peux pas être ici. C'est ça. Et mhm. cet engagement-là, on ne peut pas être engagé tant qu'on n'a pas réglé justement au niveau de la famille. Oui, parce que nous sommes toujours sous la corde mariage. Mhm. Mais quand le mari sait que tu es engagé et que tu vas aller jusqu'au bout. Tu l'as sensibilisé, il a compris. Mais il faut faire comprendre au mari, à ta famille, à tes enfants, que ce que je fais, c'est pour nous tous. C'est pas pour moi seule. Là, elle peut assister. Là, elle peut aller jusqu'au bout. Mais les hommes ne vont jamais. Mon mari est toujours là-bas. Et moi, je ne vais pas aller parce que mon mari est là-bas. Non. Ton mari fait sa lutte. Toi, tu fais ta lutte. Je vais te faire une indiscrétion peut-être. Moi, j'ai été nommée ministre. Pendant que mon mari est déjà conseiller dans le ministère où j'ai été nommée. Imagine la suite. C'est pas quelqu'un qui est complexé. Il m'a dit quoi Si tu me gardes, je reste. Si tu m'enlèves, il n'y a aucun problème. Mhm. Je veux que tu réussisses. voilà ce qu'il m'a dit. Et j'ai dit pour que je réussisse, il faut que tu sois à mes côtés. Tu restes. J'ai géré des problèmes pour ça. Il y a eu des tracts. Elle a amené son mari conseiller, alors que moi, je l'ai trouvé conseiller à cause de sa lutte politique. Mhm. bête que je suis, je vais chasser mon mari. En plus, un retraité, je vais l'amener à, la maison. Pendant qu'il est le seul qui peut peut-être voir beaucoup d'erreurs et dire attention, je suis en train de commettre telle erreur, corrige. Mhm. Je ne peux pas l'abandonner. C'était une chance pour moi. Et il a joué son rôle. Mais pourquoi ça s'est arrivé comme ça C'est parce que dès au départ, dès au départ, dès la base, je me suis engagée à la base. J'ai continué de simple militante jusqu'à être dans le bureau, jusqu'à être présidente de la commune, jusqu'à ainsi de suite, jusqu'à être présidente départementale. Ce n'est pas un feu de hasard. Tout ce que je demande à mes soeurs, c'est de faire la même chose. Démarrer de la base et ne pas lâcher. Quand tu mords le doigt, ne lâche jamais. Parce que c'est une adversité entre nous, une adversité politique. C'est pas la guerre, mais c'est une adversité politique. Et on ne peut pas arracher notre droit tant qu'on n'assiste pas, tant qu'on n'est pas engagé. C'est l'engagement, c'est la constance pour réussir, pour être là où il faut. Mm-hmm. Et Madame euh, Taya Rekia Kanta, est-ce que vous avez eu à vivre euh, une situation pareille, la compréhension de votre conjoint Moi, en ce moment-là, je n'étais pas mariée. Donc c'est peut-être la cause qui fait que tout le monde me craignait parce que les gens ont peur de faire de moi quelque chose pour que leur femme ne dise pas quelque chose. Mhm. Je n'avais pas de mari en ce Et votre entourage Mon entourage, mon entourage, euh, euh, quand j'explique, mon entourage me poussait, accepte, fait. J'ai dit non, moi je ne peux pas, parce qu'il y a des injustices mhm. qui se font au sein des partis. Et moi, je n'accepte pas l'injustice. Et est-ce qu'il vous arrive d'interpeller les autorités quant au respect de leurs engagements en matière de droits des femmes Bien sûr, moi, <laughs> bien sûr, tous les papiers, je, ne, me, vante pas, mais tous les papiers qu'il y a eu sur euh, les droits des femmes, <laughs> sur la lutte pour la femme, moi, je suis une pionnière mhm. de ça parce que j'ai adhéré à l'AFN depuis les premiers pas de l'AFN mhm. jusqu'à maintenant. Donc je connais ce que je fais et je sais ce que je fais en, allant. J'ai quitté les instances euh, associatives parce qu'en ce moment-là, les textes qui, des associations nous empêchent de faire <laughs> les deux à la fois. Donc quand j'ai quitté les instances des associations, je suis parti faire un essai dans les partis politiques pour voir si tout ce qu'on dit là, c'est vrai. Hum. Et j'ai vécu, et j'ai vu, et c'est vrai. C'est pour ça que maintenant, je me suis euh, débarrassé maintenant de, de, la politique pour revenir humblement au niveau des associations. Mhm. Comme ça, on peut faire quelque chose. Mhm. Maintenant, la lutte, on va la continuer pour qu'on amène les instances de décision, les, décisionnaires là, mhm. pour qu'on les amène réellement à respecter même les textes qu'on s'est donnés librement. Ils ne sont incapables de, les appliquer. On va continuer la lutte pour qu'ils puissent appliquer les textes que nous nous sommes faits nous-mêmes et que nous avons le devoir d'appliquer. Mhm. Le respect du quota, même s'il n'augmente pas le quota, parce que le quota n'est pas une fin en soi, mhm. mais au moins qu'il respecte les, premiers textes qu'on a fait sur le quota, qu'on puisse les respecter pour mhm. aller de l'avant. Mais tant qu'on ne le respecte pas, on ne peut pas aller de l'avant. Mhm. Et vous, Madame Rabia, est-ce qu'il vous arrive d'interpeller les autorités quant au respect de leurs engagements euh, en matière de droits des femmes Ça m'a jamais arrivé, mais au sein de mon parti quand même, j'ai toujours lutté comme ça. Mhm. J'ai toujours dit, en tout cas, le premier mot, pas le dernier, parce que mhm. la femme n'a jamais eu le, dernier mot. Mais quand même, mais dès que je vois quelque chose que je dois parler, je parle. Je parle euh, jusqu'à. Euh, <laughs> on, a, on a même l'habitude de me dire que toi là, on dirait que tu es venu juste pour euh, te bagarrer seulement. Je dis non, c'est pas la bagarre, la bagarre, mais quand même, je dis la vérité, c'est tout. Je leur dis ce que je pense et tout ce que je vois, je, je parle. Merci. Et, Madame Maizama, vous qui avez été dans l'exécutif, est-ce qu'à ce niveau, euh, les propositions des femmes sont prises en, compte Quand on a occupé des postes de responsabilité au niveau de l'exécutif, les propositions des femmes sont toujours prises en compte parce qu'elles occupent des postes de responsabilité, mhm. au même titre que les hommes. Et en ce moment, nous avons en ce temps, nous avons eu la chance mhm. que le quota même soit respecté. Malgré que moi, je ne fais pas du quota une fin en soi, mhm. moi, j'ai toujours dit que le quota, ce n'est qu'un prétexte pour détruire la femme. Combien de femmes sont plus compétentes que les hommes Sont plus capables que les hommes Combien de femmes ont battu les hommes à plate couture Mais quand il s'agit de nomination, on dit non, non, non, elle, elle ne peut pas. Personnellement, le jour où le président Tanja, que je remercie et que je félicite au passage, m'a nommé les gens ont dit c'est pour juste une récompense politique. Elle ne peut pas. Vis-à-vis, on m'a dit ça. Il y a même des ministres qui m'ont dit ça, des responsables qui m'ont dit ça. Mais au finish, j'ai pas besoin de vous dire ce que j'ai fait. Les résultats sont là. Vous pouvez chercher l'information. Moi, je, je, ne vous donne pas l'information de mon séjour à mon poste de ministre. Et à ce moment, la femme, nous avons toujours lutté, même quand il y a des nominations les femmes ministres qui étaient là exigent qu'on vérifie si le quota est respecté, même si ce n'est pas de notre ministère. Ça, nous l'avons fait. Oui. Nous avons toujours dit au Premier ministre c'est Omarou, est-ce que le quota est respecté Quel que soit le ministre qui amène par ailleurs ses propositions. La première des choses, c'est d'abord vérifier est-ce que le quota est respecté. Ça veut dire que nous avons joué notre rôle en ce moment. Mais c'est insuffisant. C'est vraiment très, très, très insuffisant. Parce qu'on ne peut pas faire une lutte à la place de quelqu'un qui ne veut pas. Tu ne peux pas lutter pour placer quelqu'un qui ne veut pas. Mais tu peux lutter pour placer quelqu'un qui veut parce que quand tu vas faire la lutte, il est là. La personne, cette femme est là quand tu vas faire la lutte. Mais quand tu vas lutter pour une femme qui est assise à la maison, tu n'auras jamais gain de cause. On peut te dire, mais elle est où cette femme-là De quoi elle est capable Donc c'est pour dire quoi C'est pour dire que vraiment, je ne sais pas aujourd'hui, mais à notre temps, les femmes sont écoutées, leur responsabilité, leur responsabilisation a été une réussite. En tout cas, parmi toutes les femmes qui ont géré, moi je n'ai pas duré, je n'ai fait que peut-être deux ans, même pas deux ans et demi. Mais mes résultats, comparés aux résultats des hommes, je les défie tous. S'ils ont donné plus de résultats que moi, je les défie. Ils m'entendent, je le dis et je le répète. Pourquoi Parce que je suis engagée. Et c'est cet engagement-là qui manque chez nous. En tant que ministre, j'ai l'habitude de rester jusqu'à minuit au bureau. Mais si moi-même, je ne me soucie pas de mes résultats, à 18h ou à 17h30, je quitte. Et le responsable à qui j'ai eu confiance, parce que quand tu as une, euh, une, responsabilité, tu travailles avec des gens à qui tu as confiance. Mhm. Ces gens à qui tu as confiance, c'est des gens qui sont en mesure de se battre pour que tu réussisses. Mhm. Ça, c'est un. Il faut placer des gens techniques. Quand tu n'es pas technique, ce n'est pas la peine de prendre quelqu'un qui n'est pas techniquement aptes à assurer mhm. le rôle et le placer. Nous n'avons pas fait ça. Mhm. Nous avons placé des jeunes techniques parce qu'on a un objectif, parce que la femme a une vision. C'est pour ça, si je fais une petite euh, euh, relation, la femme et sa fille est une responsabilité. La femme, quand elle met au monde une fille, ah, déjà à 7 ans, elle commence à ramasser une cuillère, une quoi là, elle met de côté parce qu'elle a une vision pour sa fille. Mm-hmm. C'est la même chose de la responsabilité. Quand tu es responsable, tu as une vision, tu veux atteindre un objectif, mais ça se prépare à la base. L'atteinte de cet objectif-là, ça se prépare à la base. C'est ça. Et c'est comme ça que la femme travaille. Quand vous regardez, les femmes réussissent mieux que les hommes, je m'excuse du terme, parce qu'elles ont une vision. Mm-hmm. C'est ça. C'est ça la différence avec les femmes. Elles font une programmation parce qu'elle sait ce qu'il attend demain. Il a même le même comportement qu'elle a au niveau familial. Très souvent, elle l'applique au niveau de la responsabilité. C'est ça qui fait que la femme réussit parce qu'elle a une vision, elle est prévisionnelle. Et quel changement euh, la participation des femmes dans l'exécutif peut apporter dans la vie des autres femmes Il peut y avoir changement si nous, on lutte pour que la vie de nos collègues femmes change. Mm. C'est quoi C'est à travers la prise en compte, la prise de conscience des problèmes de la femme. Parce qu'il faut connaître quels sont les problèmes des femmes pour aider l'exécutif à trouver une solution à ces problèmes de femmes. Mhm. Tout à l'heure, ma sœur euh, Rekia disait qu'ils avaient, ils organisaient des activités pour régler les problèmes, pour soutenir les femmes, des activités génératrices de revenus. Effectivement, au temps du président Tanja, il y a eu des programmes pour les femmes. Mhm. Même la femme rurale a bénéficié c'est parce que de l'autre côté, il y a eu une prise de conscience, il y a eu une étude sur les problèmes des femmes et on sait quelles sont les femmes, on connaît les femmes qui ont besoin d'appui et elles ont été appuyées. Ce qui fait que beaucoup de femmes, il y a eu un impact, un changement dans leur vie parce que de l'autre côté, pas seulement les femmes, même les hommes politiques, ils pensent aux problèmes des femmes. Je ne peux pas dire aujourd'hui que les hommes leaders ne pensent pas au problème des femmes, mais tous les hommes responsabilisés dans l'exécutif pensent au problème des femmes mhm. parce qu'ils savent que quand les femmes ont des problèmes, eux-mêmes, ils ont des problèmes. Mhm. Parce que nous occupons des postes de responsabilité qui prennent en compte tout le monde. Et donc la gestion de ce problème n'est pas seulement une gestion des hommes, mais une gestion de toute l'équipe. Merci, Madame Mezama. Pour lutter contre la sous-représentation des femmes dans les instances de prise de décision, une loi sur le quota a été euh, instituée en 2000 par les autorités en place. Et en dépit de l'existence de cette loi, les femmes restent encore sous-représentées. Quelles sont les solutions envisageables pour euh, surmonter les défis qui se posent à l'émergence des femmes euh, selon vous, euh, Madame Taya Rakia La loi sur le quota, on en parle, on en parle. D'autres pensent que parce qu'il y a une loi sur le quota, les femmes doivent avoir tout. Non. Moi, j'ai dit, j'ai toujours dit, nous avons bataillé, donc nous nous sommes battus pour qu'il y ait cette loi sur le quota. Mais j'ai dit que ce n'est pas une fin en soi. Elle n'est qu'un introductif pour arriver à pouvoir cerner les besoins des femmes et pouvoir donc euh, corriger, apporter quelques <clears throat> euh, solutions. Maintenant, le quota n'étant pas une fin en soi, la lutte continue parce que nous n'avons pas euh, satisfaction totale. Au contraire, ça nous pose des problèmes parce qu'on ne l'applique pas correctement. Donc si on ne l'applique pas correctement, nous serons loin d'atteindre nos objectifs. Mhm. Donc la lutte ne peut que continuer. On a des, des programmes d'autonomisation des femmes, des programmes de formation des femmes, des problèmes d'alphabétisation, on a des programmes sur la planification familiale. Tout ça, c'est des, des instruments que nous pouvons utiliser pour amener la femme à avoir une certaine, à avoir un certain niveau de satisfaction de ses besoins. Maintenant, il faut convaincre parce que vous avez beau produire des programmes, vous avez appliqué, beau appliquer, si les gens refusent de comprendre, d'appliquer ou n'acceptent pas, vous ne pouvez pas arriver à vos fins. Et la femme, il faut continuer parce que nous ne sommes pas satisfaits à 100%, même pas 50%. Mhm. Il faut continuer la, bataille et il faut continuer maintenant les activités, il faut continuer. Il faut encourager le ministère de la promotion de la femme à travailler davantage, à ne pas faire euh, de l'autosatisfaction. Ils ne sommes même pas à la moitié du chemin parce que nous, le voyons au sein des associations surtout les associations qui travaillent spécifiquement avec les femmes. Nous étions donc une, seule association. FN était une seule association qui, faisait tout pour la femme. À travers l'association des femmes, nous avons identifié en fait tous les problèmes, presque tous les problèmes des femmes. Mais il a suffi qu'il y ait le multipartisme, la démocratie, pour mettre un frein à tout ce que l'association des femmes a voulu faire. Et les gens ont utilisé les partis politiques pour les diviser. Pour la femme, on a beaucoup à faire. Il nous reste beaucoup à faire. Mhm. Et nous, on ne va pas se décourager. Nous voulons maintenant que la génération montante puisse faire quelque chose pour continuer. Malheureusement, nous sentons qu'elle veut bien faire des choses pour continuer, mais elles ne continuent pas dans le sens où nous voulons. Mhm. parce que Parce qu'elles sont sélectives. Et quand tu veux faire la promotion de quelque chose, tu ne fais pas de sélection. Tu vas à fond et tu le fais en toute confiance, tu le fais en ton âme et conscience. Mhm. Mettez-vous vos objectifs devant vos yeux. Je vais atteindre cet objectif, je l'atteindrai. L'engagement, comme le dit Mme Maïzama, mhm. il faut un engagement. Nous, nous nous sommes engagés début, je me disais toujours que moi, j'ai épousé la cause de la femme. C'est maintenant que j'ai compris que réellement, j'avais épousé la cause de la femme. Quand, je me suis marié, même si c'est un peu tard, mais quand même, les problèmes sont là. Donc, euh, je vous exhorte vraiment, les jeunes, à vous remuer davantage, faire ce que nous n'avons pas pu faire. Au sortir de ce forum, il faut retenir que les femmes dans les organisations des partis, de même que dans l'exécutif, est une nécessité impérieuse dans la mesure où leurs préoccupations ne peuvent être prises en compte sans leur présence dans les instances décisionnelles. Aussi, les hommes se doivent d'accompagner les femmes dans ce processus au lieu de constituer un frein à leur émergence, car aucun pays au monde ne s'est développé sans la contribution de tous ses fils et filles de la nation à la gestion des affaires publiques. Nous arrivons à la fin du forum de Studio Kalangou. Nous étions dans ce studio avec euh, Madame Maisama Hadiza, présidente de l'organisation des femmes du RDR Tchandji, Madame Tayare Chakanta, ex-secrétaire générale à l'organisation des femmes du MNSD Nassara, et Madame Rabia Korgom, conseillère au bureau politique de l'ANDP Zaman euh, À la présentation, Rukayet Abdraman, à la technique Issa Lawali, Merci à vous, les invités, d'avoir honoré l'invitation du studio Kalangu. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité au programme du studio Kalangu qui vous parvient grâce à nos 34 radios partenaires. Merci et au revoir.